forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h passées de 17 minutes à Niamey. Les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez par le canal de plusieurs radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec l'actualité de la capitale du manga où une réunion a regroupé cette semaine autour du ministre de l'Intérieur Bazou Mohamed les couches socio-professionnelles de la région pour discuter de la question de la démobilisation des repentis de Boko Haram. Ensuite, nous parlerons dans ce forum de cette crise politique qui traverse le parti rouge-jaune, le MPN Kishikasa du ministre Ibrahim Yakuba, avec euh, notamment l'exclusion du député national au titre du parti Alaïsani Atia et 12 autres de ses camarades du parti. Et enfin, nous irons dans la capitale de l'ADER pour euh, vous faire vivre les temps forts et le point de toute l'actualité autour de la 38e édition du Sabre national. Difa de la voie d'une paix définitive, c'est l'ambition des autorités nationales. À cet effet, une réunion a regroupé cette semaine le ministre de l'Intérieur Bazou Mohamed et les couches socio-professionnelles de la région pour discuter de la démobilisation des combattants de Boko Haram, illustrée par la récente arrivée à Difa des repentis. tout est mis en œuvre à Difa pour bâtir la paix. Alors, pense la société civile de la région. Amadou Moumouni a joint au téléphone ce matin Alhaj Ousmane Manga Issoufou. Il est le coordonnateur du collectif de la société civile au titre de la région de Difa. Voici ce qu'il pense. Nous, ne pouvons que nous réjouir de cette main tendue de, de l'État à, l'endroit des, des extrémistes de Boko Haram. Euh, euh, bien avant l'arrivée du ministre de l'Intérieur, en était avec le gouverneur de la région du Sud, avec euh, toutes les autres corporations, la couche sociale, pour euh, discuter de cette question et préparer l'arrivée du ministre. Et nous, nous pouvons que saluer cette, cette bravoure de la part de l'État. Maintenant, reste du côté de, de d'accepter cet appel et de, venir euh, une paix vraiment Et tout le monde est d'accord sur euh, la question de la démobilisation des combattants Non, Vous savez, cette question de, de Boko Haram, et de cette, de euh, cette corporation, c'est des avis partagés, mais nous pensons que notre région a trop souffert et que maintenant, si l'État pense que c'est cette manière, cette procédure qui peut vraiment euh, amener cette paix sans rechercher. Euh, nous ne pouvons que euh, appeler le, le votre euh, couche sociale pour qu'elle puisse accepter ce, cet engagement de l'État. vous savez, que vraiment, ce n'est pas des gaietés de cœur. On ne peut que passer par ce, processus. On donne l'espoir que ça, va aller. Vous, personnellement, ou bien vous en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce que vous en pensez En tant qu'acteur de la société civile, euh, vous savez, ce n'est pas toujours que la guerre euh, avec les armes. Maintenant, si les armes ont critiqué que euh, malgré tout cela, euh, ça n'a pas fini. Et euh, on a été euh, apporté à cette euh, phase pacifique de, de, de, de négociation et de main tendue. Et vraiment, nous, nous saluons ce, ce, courage de, la part de l'État. Il y a eu un lot de repentis qui se sont, qui s'est présenté et qui s'est rendu aux, aux, aux autorités. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui se repentissent Ces 30, 38 personnes sont là. Mais maintenant, euh, si, euh, parler de la sincérité ou de, l'effectivité de la chose, euh, c'est tout un monde qui est parti là-bas. Nous pensons qu'avec le premier groupe qui est arrivé, et ils transmettront le message à leurs camarades qui sont de l'autre côté. Et maintenant, que ceux qui prennent une décision et qu'ils viennent de rejoindre pour que euh, cette paix dans notre région culturel, pas sans savoir que euh, le nord de la Comarque, tous les villages se, sont, se sont repliés un peu vers le nord, donc euh, vous voyez euh, -vous. tout le long du, du grand de, de Maine jusqu'à Ningini, c'est le temps de, de ce des réfugiés. Et maintenant, ces gens vraiment euh, souhaitent euh, que cette terre revienne et qu'ils retournent au niveau de leur euh, quand ils viennent, ils sont accueillis et puis euh, il y a d'autres dispositions qui sont prises pour les insérer dans la vie sociale. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Est-ce que c'est la meilleure façon de le faire En fait, euh, voyez-vous, le, DDR, comme on le dit, désarmement, démobilisation et réinsertion, c'est tout un système, c'est tout un processus. Maintenant, euh, ils viennent, ils sont venus et ils, ils serviront des remparts euh, entre l'État et les autres qui sont de notre côté. Et maintenant, euh, on va les caser d'abord. Et Maintenant, comme le ministre Aïe dit, euh, il est prévu de, de leur faire un cas pour qu'ils puissent d'abord être démobilisés. Et maintenant, vraiment, le, travail physique, puisqu'eux, ils sont partis dans un autre système. Maintenant, il faut qu'un travail soit fait pour que euh, on puisse euh, leur faire comprendre que ce système n'est pas le meilleur et maintenant voilà euh, ce qui va les attendre. Donc c'est tout un long processus. Est-ce que c'est un mouvement général ou c'est juste des petits groupes et que ça va continuer ainsi pour le moment, c'est un petit groupe. Et maintenant, à partir de ce petit groupe, comme je l'ai dit, nous souhaiterions que les autres qui ne sont pas venus, qui, qui prennent une décision pour qu'ils mais euh, n'oublions pas que euh, de l'autre côté, que ce soit du côté du Nigeria ou du Tchad, du, du Niger, et, euh, on a lancé ce, du côté du Niger, le processus a été lancé. Maintenant, ceux qui, sont, euh, qui ont plus conscience et qui veulent revenir peuvent revenir et que, euh, qu'ils soient accueillis. Et maintenant, euh, ceux-là ceux qui, qui, qui refuseront, le, combat continue toujours. Est-ce que, euh, pourquoi, selon vous, les gens commencent à venir, à se manifester, à quitter Boko Haram pour venir dire non, ça suffit Bon, euh, voilà, une petite activité, quand on la, l'amène, euh, il y a des lassitudes. Donc, ils se sont lassés, ils se sont, ils ont pris conscience que peut-être euh, ceux qui étaient dans notre monde, qui étaient, qui, qui mais, pas le meilleur, maintenant, ils ont pris la décision de, de revenir. Donc, euh, ceux-là qui étaient revenus, avant qu'on ne prenne la décision de, de les accueillir d'abord, un long processus. Vous, société civile, quelle a été ou quelle est actuellement votre contribution dans la recherche de la paix à Difa La société civile, euh, euh a une question qui est être Donc, euh, le gouverneur euh, il eu à mettre un comité de l'avant euh, la Donc, euh, la société civile fait partie intégrale de ce comité. Et euh, si on va assister dans cette euh, activité de, de, grande importance, euh, ça fait que nous jouons un rôle important au niveau de euh, la population. Donc, euh, voyez-vous, nous avons acquis cela avec euh, vraiment bras ouvert et nous avons assuré que nous allons faire que cette activité soit menée à bon escient et que euh, la paix que nous voulions pour notre région euh, soit vraiment euh, le plus tôt retrouvée et qu'elle soit effective. Comment vous voyez la fin de la guerre de Boko Haram ou Adifa Non, on un comme le, le, processus, c'est le dernier processus, puisque euh, les armes n'ont pas réglé, maintenant on a tendu la main et nous pensons que ceux-là qui sont de la région et qui sont tous nos, petits frères, neveu, qui, qui était de qui, qui sont tous de, du tiroir. Maintenant, euh, s'il y a un premier groupe qui est venu et que nous, fondons l'espoir qu'à travers ce groupe, euh, ce premier groupe qui est venu, euh, que les autres aussi puissent les rejoindre pour que la région puisse décoller d'un abord vraiment euh, qui sera salutaire et qui va nous permettre d'annoncer le développement euh, C'était là le coordonnateur du collectif de la société civile de la région de Difa, El Hajj Ousmane Manga Issoufou, joint ce matin au téléphone par Amadou Omoumouni. Le, parti MPN Kishinkasa a annoncé hier tard dans la soirée l'exclusion du député national au titre du parti Sani Atia et, également, euh, également membre du bureau politique national et 12 autres euh, militants du parti. Cette décision a été prise à l'unanimité lors d'une réunion du bureau politique national à Niamey convoquée par le président du parti national Ibrahim Yakuba également également ministre des Affaires étrangères. Une décision indispensable selon le, secrétaire général du Bureau politique national, Garba Ambali Daouda. Le maintien de ces militants aurait conduit, estime-t-il, le parti à l'implosion. On l'écoute. Garba Ambali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, le secrétaire général du bureau politique national du MPN euh, Kishinkasa. Votre parti traverse euh, aujourd'hui une crise très difficile. Quelles sont les véritables raisons de cette crise vous avez parlé de crise. Je ne sais pas si elle est aussi aiguë que ça. C'est une crise de croissance, à mon avis. Mais toutefois, une crise quand même, alors qu'on n'a même pas un an d'anniversaire pour fêter notre anniversaire, qu'on prépare d'arrangement. Mais bon, vous savez, dans les entreprises, dans les associations humaines, il arrive souvent que les gens ou les camarades ne se comprennent pas. Monsieur le SG, vous parlez euh, de, vous pensez que cette crise n'est pas très grave alors qu'il y a eu une, il y a eu de l'exclusion de beaucoup de ténors euh, des membres du bureau politique national. Mais justement, je, dis que ce n'est pas grave parce que c'est à l'unanimité quand même euh, des, membres présents du bureau politique national hier, à l'issue d'une réunion extraordinaire que nous avons décidé de suivre des camarades au regard de leur comportement belliqueux vis-à-vis des structures, vis-à-vis de la bonne marche. Alors, Garba Bali. est-ce que l'exclusion de ces eh, membres du bureau ne portera pas un coup dur à votre formation politique Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est d'abord euh, une analyse. Il fallait euh, analyser les, les, les cours et les, et les cours et les comptes de la chose. En tout cas, nous, nous sommes sereins. Nous estimons que c'est même qu'on a levé une épine de notre pied. Alors, l'aile dissidente euh, de votre formation, à savoir l'aile de Sani Atia, accuse votre président Alage Yacouba Ibrahim de beaucoup de mots. Est-ce que euh, quelle réaction cela suscite en vous Mais ça, c'est sa perception des choses, ou en tout cas, c'est leur perception des choses. Mais objectivement, quand on regarde et après analyse, on se rend à l'évidence que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Mais est-ce que si c'est vrai, un bureau politique, tout un bureau politique aussi large que celui du MPN qui chez peut concerner une telle proposition Je ne pense pas. Donc, euh, selon vous, la crise, euh, selon vous, c'est une petite crise qui traverse votre parti Non, c'est pour dire les choses, une tempête hein, dans un verre. Alors, beaucoup de beaucoup d'observateurs euh, de la scène politique pensent que la nomination de votre président euh, Ibrahim Yacouba à la tête euh, du ministère des Affaires étrangères est un cadeau empoisonné. c'est à nous de le gérer. Mais est-ce que eh, n'est pas quand même ce parti-là qui, qui, inquiète, qui traumatise Mais est-ce que quand même il n'y a pas de, camarades imbus de, ces valeurs-là qui font qu'on a le sens du discernement pour savoir si telle chose nous, arrange ou pas Nous nous estimons qu'il a été appelé pour servir au, au fonction de l'État pour aider l'État, en tout cas à sa manière, dans le concert des nations. Maintenant, si quelqu'un fait une autre interprétation, ça n'engage que la personne. Pour nous, il s'agit de savoir est-ce que le travail qu'on lui a confié là, est-ce qu'il le fait bien ou pas C'est la question. Est-ce que Ibrahim Yacouba, en tant que ministre des Affaires étrangères, honore le Niger ou pas Sinon, nous-mêmes, on va dire, camarades, il faut vous retirer. Nous nous estimons que c'est une mission et d'ailleurs, pour nous, c'est ça les défis. Même demain, là où on pense que le MPNC, c'est le ministère a à, se Nous sommes prêts pour ça et nous avons des compétences à la matière. Alors, Garba bali beaucoup pensent que votre président est coupé euh, de sa base. Mais si c'est le cas, nous-mêmes, on, va, va le réaliser et on va trouver des mécanismes. C'est ce que je disais tantôt. Dis, mais nous, est-ce que lorsqu'on y a donné, nous-mêmes, on n'a pas étudié le, contour de la chose En vérité, c'est quoi Dans la vie, quand vous vous engagez à faire quelque chose, il faut vous donner les moyens de la chose. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une politique dont on n'a pas les moyens. Voilà. En s'engageant à faire la politique, le camarade a accepté. Je vais dire, le camarade Président, président Yakuba, a accepté les enjeux et tout ce que cela impliqua dans la vie d'un homme politique. Maintenant, le, le lui, est là avec cette structure politique après trois mois d'existence, euh, seulement d'existence, il revenait être la cinquième pays. que quelque part, il n'y a pas un travail qui a été fait Est-ce que quelque part, il n'y a pas des valeurs qui ont été versées Est-ce que quelque part, il n'y a pas un sujet qui est en train d'être Je pense que ce sont les interrogations auxquelles on doit s'attarder. Alors, euh, monsieur le sujet, après l'exclusion de vos camarades, quelle a été euh, leur réaction Vraiment, moi, je ne suis pas préparé d'une réaction. On peut, on peut peut-être penser qu'ils pourraient réagir juste titre. Hein. On ne peut pas dire, comme le dit quelqu'un, taper quelqu'un et lui empêcher de pleurer. Mais vraiment, euh, c'est une décision qu'on a prise et en toute connaissance de cause. Vous pensez que c'est facile à, à, ce point d'exclure euh, des ténors euh, tels qu'un vice-président du parti Mais ça s'impose le problème. Ça s'impose le problème. On a vu, avec l'histoire est là pour rappeler beaucoup de choses. Hein. Je ne veux pas m'attarder à ça. Il y a des, des socialistes à la matière vous-même en tant que journaliste vous avez une idée de ce que je veux dire. Alors, euh, Garba Ambali, comment faire euh, pour euh, un peu redorer le blason de votre parti Là, nous avons, nous, nous sommes en plein anniversaire. Hein. Nous avons notre anniversaire, nous fêtons notre anniversaire, notre premier d'ailleurs anniversaire, le 31 décembre, au Palais des Sports. Venez pour vous en convaincre de ce que nous Alors, Garba Ambali, que, répondez-vous par rapport à ceux qui taxent Ibrahim Yakouba de vouloir monopoliser le pouvoir, les décisions du parti, les importantes décision du parti C'est comme je vous l'ai dit. Hein. Vous savez, quand on veut noyer son chien, on accuse de rage. Hein. C'est trop facile. Maintenant, est-ce que c'est ce qui se passe ou pas Il qu'il faut approcher la, personne, il faut approcher la structure pour mieux la comprendre, pour mieux la connaître. Est-ce que le MPN Kishika est en train de fonctionner comme ça Je reviens pour vous rappeler une chose. On est au sein du MPN C'est la seule formation politique, moi, à ma connaissance, au Niger, qui dispose d'un organe qui s'appelle Conseil des sages, où nous avons des, vieux sages dans le domaine politique, exécuter à plus hautes fonctions de l'État du Niger et qui nous conseille dans ce que nous faisons. C'est quelque part, on met du envisager la gestion Alors, euh, monsieur le sujet, depuis quand le président n'a pas convoqué une réunion du bureau politique national Mais nous-mêmes, ça fait pas deux semaines qu'on était à réunion du bureau politique national. On le faisait parce qu'il fallait informer les camarades des acteurs du parti. Et ça n'avait rien à voir avec ces, histoires de, avec les camarades. Non, c'était juste pour partager les informations euh, sur la vie du parti sur la vie de la nation. Donc, euh, vous voyez bien que c'est assez quand même euh, étonnant de, de, voir que des camarades font, comme on dit, la tempête dans un verre d'eau. Hein. C'est assez étonnant. Quelqu'un que tu n'as pas, tu ne connais pas très bien ou une structure que tu ne connais pas très bien comment est-ce que demain tu vas lui apporter, tu vas lui porter un jugement aussi fatal Alors, euh, Garba Mbali, est-ce que derrière euh, cette crise qui traverse votre parti, est-ce qu'il n'y a pas une main invisible euh, derrière cette crise Mais si elle est invisible pour d'autres, nous, elle sera très visible. Elle le sera parce que, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas, pas du bricolage de un de C'est des, c'est des jeunes Nigériens, c'est des femmes nigériennes, c'est tous ces hommes, en fait, qui veulent qu'on change le Niger autrement. Vous pensez qu'on peut envisager un Niger autrement sans être lucide, sans être à mesure de percevoir de l'autre côté ce que les gens peinent à découvrir Ça, je pense que c'est très facile hein, pour nous. Monsieur le secrétaire général Garba Ambali, on vous remercie. C'était la Garba Ambali Daouda, secrétaire général du bureau politique national du MPN Kishinkasa, qui s'exprimait eh, par rapport à l'exclusion du député national al Sani Atia et 12 autres de ses camarades eh, du parti. Les combats de la 38e édition du sabre national de lutte traditionnelle se poursuivent activement à Tawa. Le chroniqueur sportif à la voix du Sahel, Sekouber Ibrahim, joint dans quelques instants, joint il y, a, de cela quelques instants, nous a fait le point sur le déroulement des combats de cette quatrième journée de ce championnat. On l'écoute. Sekouberi Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Vous participez actuellement au niveau de la 38e édition du Sabre national. Ce que, peut-on concrètement retenir euh, par rapport au bilan des compétitions des quatre jours euh, du Sabre national C'est vrai qu'on est pratiquement à mi-parcours euh, justement de ce championnat puisque chaque région doit discuter pour les préliminaires cette rencontre. Je pense que nous avons assisté quand même à des combats intéressants des combats très relevés, équilibrés parfois. Et je pense que c'est ça qui fait justement le charme de cette lutte, euh, en tout cas. Et par rapport à cette 38e édition, il faut le rappeler, surtout avec euh, les interpellations et surtout le rappel à l'ordre de la fédération aux lutteurs de ne pas accepter de truquer les matchs. Je crois que cela a beaucoup donné plus d'alem, plus d'entrain, plus de pimpa à ce championnat, en tout cas nous sommes en train de vivre des combats très relevés à la grande satisfaction de ce public. Alors, ce que vous venez là de parler euh, de trucage euh, des compétitions, justement, nous venons d'apprendre que euh, deux lutteurs ont été surpris, ont été pris en flagrant délit. Qui sont ces lutteurs je crois que c'est des lutteurs se battaient entre le combat de Niamey et Tawa. C'est parti de là puisque il semblerait que les lutteurs euh, parlait de cela et avait le comité ad hoc qui est chargé justement de régler ce genre de questions. Le président en question était juste assis à côté, il entendait. Mais par rapport aux lutteurs, je ne veux pas encore vous donner le nom. C'est que sur deux lutteurs, de Niamey, je crois, de Tawa, qui ont été sanctionnés et la sanction, je crois qu'ils ont été euh, chassés du championnat et ils vont devoir rester, je crois, pendant deux ans avant de revenir à la compétition. Peut-être d'ici là, je vais vous donner leur nom, mais je pense que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important est que ces deux lutteurs soient sanctionnés pour tricage. Alors, Sekouber Ibrahim, quelle est la surprise de la journée d'aujourd'hui Ce matin, nous avons assisté à des combats excellents, des combats très comme j'aime à le dire. Et nous avons vu vraiment une équipe euh, de Tawa. Euh, c'est vrai que euh, Tawa n'a pas de leader véritablement, mais Tawa a la chance d'avoir une équipe. C'est véritablement une machine à gagner. Depuis qu'en tout cas qu'ils sont là, ils sont en train de gagner et les combats ont été excellents. Des combats de haute facture, à l'image de Dan Sambay, à l'image d'Abdou Salam et également Yaya Kaka. C'est des excellents, en tout cas, avec la pression du public, ils arrivent justement à dominer leurs adversaires. Mais je pense que la particularité pour la région haute c'est qu'ils ont une équipe, mais ils n'ont pas de leader. Et peut-être ça va être un handicap pour eux, puisque vraiment, il y aura des moments où on a besoin de leader, justement, pour aller de l'avant. Sinon, c'est des très jeunes combattants et je pense qu'ils n'ont pas encore l'expérience nécessaire pour quand même euh, maintenir la pression et eux-mêmes, euh, en tout cas, euh, vaincre la pression qui est exercée sur eux. Il y en a eu tellement de combats, il y en a eu tellement de bons combats que on ne peut pas dire que c'est tel combat qui a été le meilleur par rapport à tel combat. Ce qui est sûr, le public est vraiment gâté par rapport au combat. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut permettre de faire des pronostics hein? En tout cas, c'est hasardeux de le faire. Mais si vous parcourez la liste des invaincus, vous voyez qu'elle est en train de se rétrécir. Et si vous prenez cette liste, il y a un seul ancien qui est encore là, un ancien détenteur de sable, c'est Yacouba Adamou. Sinon, tout le reste, des jeunes, en tout cas, qui n'ont pas fait grand-chose dans le domaine de la lutte, qui ne sont pas connus. C'est vrai, par exemple, vous prenez vous avez installé Douda, qui vraiment, c'est vrai, est un peu connu. Mais vous prenez aussi euh, un Rabiou, dans Kankoura, qui n'est pas connu à Agadez. Vous prenez Dosso, le gars qui est là, ce n'est pas celui qui est attendu. On attendait Issa Kaïsa et autres, mais c'est Mahmoud Abdou. Donc vous voyez bien que tous ces jeunes-là sont là. Et peut-être que euh, le pronostic qu'on peut faire sans se verser dans un pronostic V.A., c'est de dire que euh, cette lutte risque de réserver une surprise, en cela que la surprise, vous allez trouver un jeune qui va justement euh, brandir le sable, qui va justement, mais euh, avec cette dynamique qui est là, elle cette, jeune, cette jeunesse peut en tout cas prendre la place des anciens, parce que quand vous parcourez, je l'ai dit, c'est Yacouba Adamou seulement qui est ancien parmi tous ceux qui sont, en tout cas encore, sur la liste des invaincus. Alors, ceux qui ouvrent Ibrahim, il reste euh, au total, à l'heure actuelle, combien d'invaincus euh, en tout et pour euh, tout tout à l'heure, il restait, quand on était venu, il restait à peu près 13. Mais euh, il y a deux qui sont déjà partis encore. Je crois que je peux vous donner un peu le tableau. Agadez a deux lutteurs vaincu. Agadez va disputer sa quatrième journée tout à l'heure. Difa n'a plus vaincu Dosso a un seul invaincu, il vient de passer, c'est Mohamed Abdou. Maradi a deux invaincus. Maradi va justement faire face à Agadez, donc vous voyez bien que Maradi a deux. Moussa Abdullah et Moutala Garba Guassale. Niamey a deux, c'est Yacoub Adamou et Tassou Ibrahim. Tawa a trois, c'est Lawel Gantambey, ben c'est Yahya Kaka et c'est Abdul Salam Soumeila. Ilaberi n'a pas d'invaincu. Et Zender qui a deux également avec euh, Lawel Abdou là et Tassiou Non que Ibrahim est en train de lutter parce qu'il y a eu un litige qui a été. Il est tombé. Voilà, on m'informe qu'il est tombé. Donc, ça veut dire que Zender a un seul. C'est là où lui aussi, n'a pas encore lutté. Parce que s'il lutte, on ne sait jamais. Donc, vous voyez que ça va très vite au niveau de la lutte. Elle se rétrécit de minute à minute. À l'heure actuelle, ce, dosso qui affronte euh, Télébéry, quel est le score non, ce n'est pas Dosso Tilaberi. Dosso Zender, Dosso Zender. Dosso Zender, ils sont au septième combat, le huitième, et Dosso mène 7 à 0. C'était là Sekouberi Ibrahim, chroniqueur sportif à la Voix du Sahel, qui fait le point du déroulement des combats de cette quatrième journée du, championnat national du sabre qui se déroule actuellement dans la capitale de la DER. Autre aspect de ce forum, le département de philosophie de l'université Abdelmoumouni de Niamey, en partenariat avec le centre culturel franco-nigérien Jarouche, a organisé dans l'après-midi d'hier une café philo autour du thème jeunesse et citoyenneté. Selon Dr Moussa Saini, enseignant chercheur et euh, doyen de l'université euh, de Tawa, cette conférence permettra à la jeune génération des étudiants de mieux se préparer pour affronter et surmonter les difficultés de la vie. En l'écoutant. Moussaini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université euh, d'Ottawa. Vous venez là d'assister euh, au Café Philo. Que peut-on concrètement retenir autour euh, de ce thème jeunesse et citoyenneté Personnellement, je suis aussi dans une faculté de l'éducation faculté des sciences de l'éducation et raison de plus pour que justement ce thème, n'est-ce pas, donc je puisse mesurer l'intérêt et la portée de ce thème. Ce thème est très important dans la mesure où justement il a deux aspects, pour ne pas dire deux intérêts. Le premier, c'est que ce thème invite la jeunesse à une prise de conscience une prise de conscience au niveau de l'avenir, une prise de conscience au niveau de sa tâche et une prise de conscience, n'est-ce pas donc, au niveau, n'est-ce pas donc, de son engagement. Le second élément, c'est que justement, c'est un thème aussi qui est d'actualité. Il est d'actualité dans la mesure où justement, ça amène la jeunesse, n'est-ce pas donc, à regarder dans le rétroviseur en vue de tirer des leçons et aller de l'avant. Donc, il invite la jeunesse à agir dans le sens du progrès. Voilà les deux éléments, n'est-ce pas, donc on peut retenir, n'est-ce pas, donc de ce thème. Et l'avantage le, plus important, c'est que justement, la jeunesse généralement n'a pas une certaine prise de conscience. Il faut qu'on l'aide à prendre conscience. Il faut qu'on l'amène à prendre conscience. Il faut que on l'oriente. Il faut que, n'est-ce pas, donc on guide ses pas. Donc justement, cette conférence c'est une, un domaine, c'est un, facteur qui permet d'aider la jeunesse, n'est-ce pas, donc à aller de l'avant, n'est-ce pas, donc en l'invitant, en voyant, n'est-ce pas, donc les conséquences et surtout en lui, en lui montrant, n'est-ce pas, donc le chemin du progrès. L'éducation, qui est l'un des termes majeurs de cette euh, euh, conférence, eh bien, l'éducation, justement, aujourd'hui, c'est le vecteur de tout développement. Il n'y a pas un pays qui peut se développer sans développer le secteur de l'éducation. Il n'y a pas un pays qui peut aller de l'avant sans développer le secteur de l'éducation. Il n'y a pas un pays qui peut même, n'est-ce pas, donc, vouloir prendre en charge ou gérer, n'est-ce pas, donc, euh, son peuple ou n'est-ce pas, assurer le destin politique de sa population sans développer le secteur de l'éducation. Voilà pourquoi la notion d'éducation, qui est l'un des termes centraux de la conférence, invite la jeunesse à prendre conscience et surtout à savoir d'où elle vient et vers où elle va. Nous savons que actuellement on a une jeunesse, euh, excusez-moi du terme, euh, pourrie comparativement aux autres euh, générations. Est-ce que c'est pas un échec de vous autres qui êtes enseignants et chercheurs de l'université de Niamey? La question est pertinente, même c'est pas bon. C'est pas une provocation, c'est une remarque. Et votre remarque peut être pertinente. Effectivement, aujourd'hui, euh, le reproche qu'on fait à la jeunesse actuelle, n'est-ce pas, donc c'est la chute du niveau, n'est-ce pas, donc, ou je dirais même l'absence du niveau. Or, si la jeunesse n'a pas le niveau, nous qui sommes enseignants, nous qui sommes encadreurs de cette jeunesse, nous devons aussi nous remettre en cause. Et c'est pourquoi je dis que votre question, effectivement, elle est pertinente. Nous avons eu décrié, et moi personnellement, j'ai fait partie de ceux qui ont décrié, de ceux qui ont dénoncé la chute de niveau, la baisse de niveau, n'est-ce pas donc, de la jeunesse actuelle particulièrement, n'est-ce pas, donc élèves, euh, étudiants, etc. Mais d'où vient cette chute de niveau Ce n'est pas seulement les programmes, ce n'est pas euh, les programmes d'enseignement, ce n'est pas seulement la main d'enseignants, mais il y a aussi, n'est-ce pas, donc le personnel enseignant. Voilà pourquoi si les élèves n'ont pas le niveau, l'enseignant doit aussi se poser des questions. Est-ce que c'est à l'élève ou à l'étudiant la faute, n'est-ce pas, donc de cette baisse de niveau Si bien que je dirais que justement c'est une faute collégiale. Autant l'enseignant aussi euh, a une part de responsabilité parce que quand l'État recrute les enseignants, il faudrait savoir quels enseignant il recrute. Est-ce que c'est des enseignants qui ont une qualification est-ce que ce sont des enseignants qui ont une certaine compétence Est-ce que ce sont des enseignants, n'est-ce pas, donc, qui maîtrisent, n'est-ce pas, donc, le domaine du savoir dont ils sont chargés, n'est-ce pas, donc, de transmettre à ces élèves. Voilà justement un élément qui se pose. Et c'est pourquoi nous disons que c'est vrai, les élèves n'ont pas le niveau, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de disserter là-dessus, c'est une réalité. Mais comment faire il ne s'agit pas de croiser les bras pour dire le niveau est bas, il ne s'agit pas de croiser les bras ou de crier, n'est-ce pas, donc sur les toits pour dire que les élèves ou les étudiants n'ont pas le niveau, mais il faut se poser la question de savoir comment améliorer le niveau, comment aider les élèves et les étudiants à améliorer le niveau, comment aider l'État à rehausser le niveau des élèves et des étudiants. C'est ça le rôle de nous enseignants et c'est pourquoi je dis qu'avant de répondre à la question, nous devons d'abord nous remettre en cause. Comment nous enseignons De quelle manière nous enseignons Est-ce que nous, avons, nous, transmettons des choses, n'est-ce pas, donc, dans la compétence requise Est-ce que j'ai la compétence requise pour transmettre le savoir à ces jeunes qui me sont confiés. Quand on voit des jeunes à la recherche du gain facile, euh, n'est-ce pas là une inquiétude C'est une inquiétude, je dirais même c'est un drame. C'est un drame, c'est dramatique dans la mesure où euh, c'est l'un des éléments qui font qu'aujourd'hui, seulement les apprenants, donc quand j'appelle, je parle d'apprenants, élèves, enseignants, l'ensemble compris, donc les apprenants, aujourd'hui, n'est-ce pas, donc, euh, sont en train aussi de euh, se laisser couler, emporter par le bateau, sans se poser un certain nombre de questions. Et le game facile, vous allez voir, par exemple, des étudiants ou bien des élèves, n'est-ce pas, donc, bon, au lieu de chercher, n'est-ce pas, donc, de savoir, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau système qu'on appelle le LMD. Dans le LMD, l'enseignant ne doit pas faire comme la tradition, tout donner à l'élève. Il doit pouvoir encadrer l'élève, l'orienter, lui montrer la voie pour la recherche, lui montrer la voie pour aller, n'est-ce pas, donc chercher à compléter les informations. Très malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe N'est-ce pas vous voudraient que justement, le professeur donne tout. Et là, justement, c'est la facilité. Et dès lors qu'un individu se lance dans la recherche de la facilité, eh bien, il ne peut pas être compétitif. Il ne peut pas être performant. Et c'est ça, n'est-ce pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'un élève du primaire, un élève du secondaire, bon, on dirait peut-être qu'ils ils ont un niveau encore qu'ils n'ont pas pris conscience. Mais jusqu'à l'université, vous allez voir, bon, certains étudiants, n'est-ce pas, donc, qui ils n'ont pas la méthode de recherche. Ils ne savent pas justement vers où ils vont. Et c'est là ou n'est-ce pas, donc, je dirais que ce n'est même pas, n'est-ce pas, étonnant, c'est même un drame, parce qu'un étudiant qui doit pouvoir se prendre en charge dans la recherche, un étudiant qu'on doit pouvoir aider à aller vers le savoir, à contribuer à l'acquisition de ce savoir, et il ne sait pas voir où il va. Il ne sait pas comment, n'est-ce pas, donc contribuer à son propre savoir. Eh bien, c'est dramatique. Ceci veut dire quoi Ceci veut dire que nous devons revoir la manière de transmettre le savoir et nous devons encore revoir la manière, n'est-ce pas, donc de former. Pour ne pas dire, n'est-ce pas, donc, il faudrait, en un mot, réformer le secteur de formation. Pour parler un peu de la corruption, la mentalité la plus répandue ou bien l'opinion largement répandue dans la mentalité des enfants, c'est de savoir que la chèvre broute là où elle est attachée réaction cela suscite suscitant La chèvre brute là où elle est attachée, c'est vrai, c'est une théorie, mais cette théorie, c'est une théorie vraiment dialectique. Est-ce que <laughs> la chèvre n'a pas cessé à bouter là où elle est attachée Est-ce qu'elle n'est pas amenée à aller chercher ailleurs Et aujourd'hui, nous sommes dans, nous sommes dans un monde, dans le système de mondialisation, amène la chèvre à aller aussi bouter ailleurs que là où elle est attachée. Voilà pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, donc tout l'effort des enseignants, c'est d'inviter les élèves, les étudiants, les apprenants à les faire comprendre que, n'est-ce pas, donc ils doivent contribuer eux-mêmes à leur propre savoir, à la construction de leur savoir. L'enseignant leur donne les matériaux pour construire le savoir et la l'apprenant doit pouvoir, à son tour, n'est-ce pas donc, mettre ses matériaux en œuvre et construire son propre savoir. Et c'est ça la formation. C'est ça l'amener à. Il ne s'agit pas de lui donner le tout sur un plateau d'argent. Là, ça ne lui servirait absolument à rien. Tous ceux qui aident l'enfant, l'étudiant ou le scolaire dans, dans la facilité, vous ne l'aidez pas, vous le détruisez. Donc voilà pourquoi justement aujourd'hui, nous les aidons, n'est-ce pas, à s'orienter vers le savoir à partir d'eux. Au cours de la conférence, on a également parlé des mouvements sociaux le 9 euh, février 90, le 15 mars 2005, euh, euh, des mouvements qui ont quand même ont pu imprimer leur marque ici au Niger. Au devant de tous ces mouvements, ce sont les jeunes. Malheureusement, les jeunes n'ont pas su consolider les acquis. À leur place, ce sont donc leurs aînés qui ont su largement profiter. Qu'est-ce que la jeunesse doit faire pour s'approprier les acquis les différents mouvements dont vous venez de parler, c'est effectivement des mouvements où la jeunesse, n'est-ce pas, donc, a beaucoup contribué. La jeunesse a été, même si vous voulez, à l'avant-garde de ces choses, l'artisan même de ces choses, mais très malheureusement aujourd'hui, n'est-ce pas, ils ne parviennent pas à tirer les leçons et surtout à l'utiliser pour aller de l'avant. La jeunesse a été l'artisan, l'un des grands artisans et qui a d'ailleurs conduit, n'est-ce pas, donc, à un développement social. Le développement social, la démocratie, à mettre en place les jalons, à tracer les jalons de la démocratie et à asseoir les bases de la démocratie quant aux nest pas, différents mouvements, tout ceci doit interpeller la jeunesse et surtout nous montrer qu'effectivement la jeunesse, donc, elle est capable d'aller de l'avant. Elle est capable, nest pas, donc, de devenir consciente. Elle est capable, de tirer des leçons. Elle est capable de contribuer à la construction de l'œuvre démocratique. Elle est capable de contribuer même de participer à la construction de son destin. Mais très malheureusement, certains ne l'ont pas encore compris. Mais comment les aider à le comprendre Comment les aider à prendre en charge leur propre destin c'est ça, n'est-ce pas, ce qui fait que, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, la nouvelle orientation de l'enseignement actuel, tel que le CMLD, nous essayons, n'est-ce pas, donc, de les montrer qu'ils sont capables de devenir un artisan valable valable pour eux-mêmes, valable pour la société et valable surtout pour le pays un ancien président français euh, ici au Niger disait que la jeunesse est une bombe à retardement. Qu'est-ce qu'il veut dire euh, concrètement par là ce n'est pas en réalité seulement la jeunesse en tant que telle qui est bombe à retardement. C'est la jeunesse négligée par la société, la jeunesse négligée par les dirigeants, la jeunesse négligée par nous autres qui sont les encadreurs. C'est cette négligence de la jeunesse qui fait qu'elle devient une bombe à retardement. Et cela veut dire quoi Cela veut dire qu'un jeune euh, abandonné à lui-même, un jeune désœuvré, un jeune au chômage, eh bien, son contrôle est, n'est-ce pas, les conséquences que la société court, n'est-ce pas, donc sont des conséquences fâcheuses, des conséquences terribles. Il faudrait donc, cela veut dire quoi Cela veut dire que nous devons amener la jeunesse, n'est-ce pas, donc la, nous devons la former d'abord et en plus lui trouver un emploi. Une jeunesse, n'est-ce pas, qui est mal employée, une jeunesse qui est abandonnée de la rue, effectivement, c'est une bombe à retardement parce que la criminalité, n'est-ce pas, donc, va s'engendrer. Elle va contribuer, n'est-ce pas, donc, elle va développer une certaine violence. Elle va développer, n'est-ce pas, donc, le désordre, n'est-ce pas, donc, de la société, le désordre, n'est-ce pas, de la culture. Elle va semer du désordre, n'est-ce pas, dans tous les facteurs, dans tous les secteurs de la société qui vont pouvoir la déstabiliser. C'est cette déstabilisation sociale, c'est cette criminalité, ou je dirais même, n'est-ce pas, cette, ce développement de la criminalité, n'est-ce pas, donc, qui engendre, n'est-ce pas, donc, la bombe. Voilà ce que signifie cette bombe. Donc cela veut dire, aussi que euh, cela veut dire que ce chef d'État invite ou appelle, interpelle, n'est-ce pas, donc les, encadreurs, c'est-à-dire ceux qui, encadrent les jeunes, il les attire leur attention pour qu'ils prennent soin de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est les futurs responsables de demain et nous devons les encadrer pour que la société de demain puisse répondre, nest pas, donc, à leur avenir et puisse répondre, nest pas, donc, aux préoccupations de tous. Alors, professeur, est-ce qu'il euh, n'est pas tard pour euh, bien faire il n'est jamais tard pour bien faire, comme dit l'adage. Et justement, nous sommes, c'est l'optimisme qui doit nous amener à voir qu'il n'est jamais trop tard. Nous sommes encore, nous gardons encore l'espoir et nous sommes prêts en cas de cette jeunesse. Nous sommes prêts, n'est-ce pas, donc à orienter cette jeunesse pour aller de l'avant, pour contribuer au développement et à devenir des futurs responsables. Professeur Mousseni, on vous remercie. Merci, je vous remercie aussi. C'était là euh, Docteur Moussa Saini, enseignant-chercheur doyen par intérim euh, de l'Université d'Ottawa par rapport à un thème débattu hier soir au cours d'une café philo au centre euh, culturel franco-nigérien Jarouche de à savoir jeunesse et citoyenneté. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Fara 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM à Tilabéri. Sur la radio Téboissé. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengé Sur la radio Mouriatalata 95.1 FM à Difa. Sur la radio Afani 100 FM. Studio Kalangu. Suivez les programmes du Studio Kalangu partout dans le monde grâce à sa page Facebook la page Facebook du studio Kalangou. J'aime et je partage. Voilà, avant de clôturer ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou, je rappelle que nous étions avec euh, le secrétaire général du bureau politique national du MPN Kishinkasa, M. Garba Ambali Daouda, relativement à la crise euh, politique qui déchire sa formation politique. Nous étions également avec euh, le, coordonnateur du collectif de la société civile de la région de Diva relativement donc à la démobilisation des repentis de Boko Haram. Avec euh, Sekou Beri Ibrahim, euh, le chroniqueur sportif de la Voix du Sahel, nous avons fait le tour de l'actualité sportive dans le cadre de, de la 38e édition du championnat national, du championnat du sabre national euh, qui se déroule activement, actuellement et activement dans la capitale euh, de l'Adera. Et sur ce prend fin ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.